studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangu. Pour la présentation du jour, vous êtes avec Salamatou Kadri et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Salamatou, en forme ce matin Je suis en pleine forme Habiba, quel est le programme du jour Salamatou, nous ouvrons cette émission avec un flash d'informations qui nous sera présenté par Nafissa Surfo. Ensuite, notre incontournable rubrique environnement du mercredi. L'écho des régions aussi qui nous amène à Agadez, capitale de l'Aïr. Sans oublier le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu de notre page sport. Comme invité, nous recevons Madame Hapsoto Amadou Bumburu. Elle est la présidente de l'association des jeunes engagés pour le progrès de Kolofondo. Nos échanges tourneront autour de cette association ajep kf Un des points qui fait le charme de l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est la consommation de la musique nigérienne. La playlist du jour est garnie, bien 100%, on vous les promet, chers auditeurs. Installez-vous confortablement pour adorer ces moments avec nous. No. Chers auditeurs, Nafis Sirfo est avec nous pour la présentation du flash d'information. Bonjour Nafisa. Bonjour Salamtou, bonjour Habiba. Bonjour Nafisa. Quelles sont les nouvelles de ce matin Alors, les autorités béninoises ont décidé lundi 6 mai 2024 de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à la station terminale du pipeline à Benin-Niger, située à Semé Podji, rapporte le journal Air Info. Cette nouvelle mesure intervient dans un climat de tension entre les deux pays depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Et pour rappel, le pipeline long de près de 2000 km devrait initialement transporter jusqu'à 90 000 barils de pétrole par jour depuis Agadem au Niger jusqu'à Semé-Podji. Ensuite, euh, le, ministre tchadien des Armées, Dago Yacoub, est en visite au Niger. Il a été reçu hier par le Premier ministre Ali Mahamad Laminzen avec au centre des échanges la sécurité aux frontières des deux pays. Par ailleurs, le ministre tchadien a rappelé qu'ils ont des camarades et des frères tchadiens au Niger qui, grâce à l'aide du Niger, peuvent rentrer chez eux. Nous sommes venus les accueillir et les amener au Tchad, a indiqué Dago Yacoub. Enfin, au Togo, le président Fort Nyassimbe a promulguée le lundi 6 mai 2024 la nouvelle constitution du pays. Elle a été votée à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, mais contestée par l'opposition et une grande partie des associations de la société civile. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentalement fait passer le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Je vous en prie, bientôt. Chers auditeurs, nous avions annoncé tout à l'heure, l'invité du jour est Hamsetou Amadou. Bonjour Madame Hamsetou. Bonjour Madame Habiba. Merci d'être là avec nous ce matin. Je vous en prie Madame, merci. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons écouter les titres de Gmoussemou, de Abel Zamani et de Dijesul. Dikani

le titre que vous êtes en train de kiffer, chers auditeurs, de l'artiste Abdoulaye Barké, plus connu sous le sobriquet de Abel Zamani et Digesou. C'est un artiste rappeur, musicien, compositeur et interprète. Abel Zamani est l'un des artistes de la nouvelle génération les plus connus par le public nigérien. sabe de zamani Aikin mu mu la chanson de Semou de Abel Zamani. Revenons à notre invité, Madame Habsetou. Faites-nous une brève présentation de l'association AGEP KF. Allons à langue si vous voulez. <laughs> Oh. so, niging faman dressé. Aron association il faut une association a faman To ir association des jeunes association nous kan ir créer nous din kolu. Kartiyara kan sigini kol fandu ira association irga intervenir domaine kurra à savoir domaine hayo propriété santé éducation de environnement iranu irga intervenir to ara association za fuccino ara nasinji irma nasinji kallu 24 novembre 2023 inga no irna singi ifuno kanda karan na association ara nasinji bon association déjà irkagar ir wani albere igay kan igba im association créée mais a que le son irmu irdi cari irdi kan irgo quartier falankara irse amfanin de Chari. ya dinga mieux que irmir association firi irm di matano irgite Gicharga, carga quartier aran association aran pour gara aran de mai de no aran da bai ta association wal aran char morgunda to gasinji to ir association o ce sont les jeunes du quartier ir irna association ir to ir bor kango association wara o quelle est la mission principale de votre association La mission principale de notre association, c'est de promouvoir l'entretien des liens sacrés entre le, du savoir-vivre entre la, la population. De Kolo seulement ou bien De notre quartier. <laughs> Votre quartier Kolo Oui, Kolo Fandou, voilà. <laughs> D'accord. De goifo de goifo ando aranga te na aranga habu da ifuri rifo no kwana rango ne te kan genga al umma tonto. tu irga habu irga turinya yen duma irgo go borai sensibiliser sur eh, domaine santé ra. kwen education ra irgini borai paran de leve se im cinga kwai manti edukasyon wa im nan paran de leve hinnase im ga kwai ekwal im ha ingai ingai izai matanu borago avance wala siga avance da siga avance nem kafu nem kontribuye. et wanda yan nigi hin ga ni bon sifu sensibilisation au kan ne mata na sensibilisation o aran gitera windika windina ran ga te wala mata na sensibilisation et to ir sensibilisation sont comme chaque samedi ingano ir gir réunion été to donc ir membre comme c'est le quartier ir ga salan Eh, sanda dir kande tem fo irga salanga bon son a partir de la nga no membray bor kul konda ngai kwara ni garan kwara ay bon ay ferinda ya dinga daran ni char morgu na ran gun gadi hay kan bon aran ga salan daran suban san ni nyongo wato din cin no bor kul gu koy ngai kwara gu koy ga ngai window ay message transmettre to ay kayan siaran wana kunda wora hmm. no matano igtege igtege ma bon ferawo to madam a gabi ir kartiya kurra windikan kan ir sinda mambar a gwanda gabi o sai ki fe ku ba dai bora man ma irga bai mata no irga te kan ganan dai bora kulmu ma information mu pasi o Chers auditeurs, nous allons encore souffler à musique avant de poursuivre nos échanges avec notre invité. Tu nous proposes quel son Salamatou Ah ouais, Habiba, je vous propose le titre Kutubo du groupe Soga. On kiffe. auditeurs, Kutubo est le titre que vous êtes en train d'écouter du groupe Soga. Kutubo est une tradition qui s'est faite après le dixième jour de la fête de Tabaski. Et c'est en ces moments que les gens préparent le bouillon de tête et de pâte de mouton qu'ils conservent. nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalango. Pour rappel, notre invité est Hamsetou Amadou Bombourou. Elle est la présidente de l'association de jeunes engagés pour le progrès de Kolofandou. Alors Hamsetou, comment votre association collabore-t-elle avec les autorités communales pour élever les défis auxquels la commune fait face Nous intervenons, comme je vous l'avais dit, dans plusieurs domaines. En effet, et notre quartier, c'est un quartier vraiment, dans un premier temps, qui était tellement sale. Mhm. Donc, euh, c'est pourquoi on s'est associé donc, pour vraiment y remédier à ça. Donc, les dimanches, chaque dimanche, il y a des travaux qu'on réalise, à savoir le, le nettoyage vraiment de tous les, tous les coins vraiment. du quartier no aran da mai riyo goye aran da mai riyo kan bagcar kan bararan goye gona gite da to dans un premier temps sintina ga kan irgo girgoye te irko irne isai imir no goy gine zama irsi ga goy da e, goy gine ir dainu ir dainu ir volantara dir gonda goy irga charmar gubur kul katadira tono da hankan no aguni sin kwara ingay ino irga sambu katinga inir goyti to donc dan un pre ir sintinay goyo irne imir no tracteur imir no habir giyan dira toyan effectivement inir no gine dini inga ino ir koy irna kura habunda fisay gono ir gwanda hayofu e gusufo kanga baga kwara sara da kaidiya ka haro agan waga ka vala don ka irne to irdu ide fisai inga ino irgo ku irim koygi doru no din haywara pour que am dabu son présentement irga bon parce que am gaban zama hayo gusu su Arun wana kundawo, mm. da me riyo du nongu fo a gona ga goy te nongu fo a garan ce aram kaga di ingai se wala matano wala kawai ga sina dai no akan daran sai aran go garan goyo te aran bumbu aran bon sai aran komin wala o ir bumbu da no ir bon sai no ir go gir goyo te ir bonse yanda da me riyo du nongu fo amun bai garance bon di du ya yakini par exemple da yauyan goka igirce igini irim kagin gaiga irmu yawai ko bai wati kul digu du yau igirce wo kai irga kwai irga répondre à leur appel to son da borga ba bor mu fu matano borga tege furo aran hun kunda wara to ir kunda dinga bani mu furara e ir irna sanda doka dan kan ni sin gidi borfo wani gine ni ase ni ga banin fur irkun kundara samdi hani dir gogo reunion te inga nu ni ga ka dini ka irgici ni se dokai kan girsi nin furu dindi agte ni se nin furu dindi aste ni se ni mahayo ni ga fama dir se dokaira dokaira agwonu da kan sanda shak reunion irga waranka waranka margu ne mabai kan dini ga hin ga waranka waranka dan to dene siniga da muni no bai irgi yegi fahamandin se kan dimbanga furu bani fata waranka waranka isigi nuru isi waranka waranka yetinse kan ni kotizi zam mhm. deja hayo waranka waranka din inga dai no irgo ger travail teda inga denu irga margur ga ha birgiyan da ifo di fo <laughs> dai da hadin ga din fata din ne irin ma ban ya din ga ka dai dire ga margun sigin bana so aron kun da wai wo kan gone wonya mai ai gin gutu mai mai ga furara wala ka dai ai wo kolai zanu wallahi ir wo kai ir wando ka ka dai dai fan dubun boda izi zam ir kartiya ma ga dai no ir na kun dawo yani ga kurai wani fo asinga furara Irin mana wadin dan wo kai Quelles sont les difficultés auxquelles l'association fait face et comment arrivez-vous à les surmonter Les difficultés, il voilà, parce que irsin de gwai ils sont vraiment gwai ginai dai no parfois euh, c'est pas facile vraiment to femme dir sai me sandai fu sandai ne bai sandai sandai sandai asijan kan ai ne irsin da gwaigine kenan irga ba sandai dai irsin da moyen kan gir permettre à chaque fois irma goyyante hanfon goygine jangai inga no gangi irmu goy bobati parce que son da ni faman sai ne kan merio diaran sai anara nora to yan yaadin an annai sai son mu sanda mu goy jine yaadin ga kan na ka lai da ratai mm. sanda wo foti goy jine sanda ratai kan inir no manti inir non dai no ma non non kan ir goy gaban donc ir ye ga ti isi ya ga son dirdu ir bo wane kan go gisi ir se ir bonse aga bisir se ir mu koy gi wati wana o oh. to aburde na to son ne da kaina ifunaran danjine haran wani kundawo wallahi irkunda ne da gina zama shomen rai ba in donc don ka ir envisager vraiment irma de ir association wuberi chômage au moins irma zabu père de famille kan gogor kan yan sigi haifote au moins dir dir association wuberi irgi hin gudu hankan irte ise pour que ingay mu taux de chômage au moins am zabu wadin no vraiment irwo kan yan envisager da irga ba mu irkartiya am buri am te example vraiment kwalkurra am te diga gen wa vala oh. to yan <laughs> <laughs> to abori dai ma oh. madan tu irgin irgin fondo goy oh. tu yan wokan ne kaga te irse irgin fondo goy da hunkuna fakara chers auditeurs marquons une pause euh, juste après on revient Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 20 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangou consacrée à la question environnementale. À l'approche de la saison hivernale, les agriculteurs s'attellent au défrichement des champs. La régénération naturelle assistée RNA est une des techniques de défrichement améliorée. Elle est beaucoup pratiquée par les communautés villageoises pour restaurer le couvert végétal. C'est une technique agroforesterie qui consiste à protéger et gérer les repousses naturelles qui produisent les sources d'arbres et arbustes dans les champs, nous apprend Sabu Rafa, agent d'une ONG locale dénommée ATPFA, qui fait la promotion de cette technique au niveau communautaire. Il nous définit d'abord la RN. Sabiu est au micro de Mustapha Mamansani. a kula da ido a tsare girma don a samu a maido itacenmu na can da da babu sassaban zamani wanda ake ni da erana salo biyu ne salo na shi ne wanda ake cewa salo wanda mutum za ya sa ƙarhin shi da 'yan canjin shi kuma da niyar shi shine wanda za ka iya tashi daga nan ƙasar ko ƙasar da magaran ka tahi maraɗi ko ka je mai kashi labarin wani icce kamar iccen goro da ka kaji an ce ana yi maraɗi ka kawo shi nan tawa ka shibka cikin gonarka kana iya zuwa ka samu ɗiyan icce ka kawo ka shibka kuma kana iya samun da shi ka shibka salo na biyu shine gyaran icce cikin gona ka tar da icce eh, ɗan karami cikin gona ya tsiro dan saboda kal dabbobi su canye shi ko wajen noma a guncire shi sai ka zo ka mai shaida ka sa mai icce ka kula da shi ka ankare har ya girma na biyu shine ka tar da icce sako ko labaye ka zo ka gyara su ka hudda reshishika ka bar reshe uku hudu zuwa biyar amma ya danganta daga kudurinka kuma ya danganta da iccen da kake so ka bari kaman gawo ba a barin guda biyu ma ɗaya ya isa kuma duka cikin sassaban zamanin ya danganta in ka tar babban icce cikin gonarka eh, ka mai wanka ka gyara shi ya meke ya tashi don saboda unwanin sassaban zamani ba ana yin shi ba ne don a yi inuwa cikin gona sosai a hana gero hatsi samun iska shi yasa sai a wanke iccen sai a daga shi sama yadda in ka daga hannuwanka sama ba ka iya taɓo iccen ka wanke shi ƙasan shi duka iska na iya zagaya. Maman Sabiu ni a bambanci sassaban zamani da na gargajiya. Wato shi sassaban zamani salo ne mai kyau. Bambancin shi da shi da eh, gyaran gona wanda ake ce ma eh, sassabe shi da lokacin da aka ce sassabe mutane na ɗauki ne je ka mun sassabe shinga sai ka je ka kirɓe gonar duka ba ka barin komi kawai yi ta shimka. to shi kuma sassaben zamani salo ne wanda duk inda ka zo ka tar da labo ko ka tar da sako ba ka cire shi gaba ɗaya sai ka diba ka bar leshe uku hudu biyar ya danganta da abin da kake bukata menene yasa ake barin wannan itacen don saboda yau akwai doka ta ƙasa bisa kan sassaban zamani war take baka damar yau kai mai sassaban zamani ka da ice danye cikin gonarka wannan icen danye in ka ce ka bar ɗa guda ko da biyu ka gan ka tashi huddawa baka samun albarka sosai yanzu wanda ke da icce gindin icce guda ɗari cikin gonar shi kuma kowane gindi ya bar guda biyar in bukata ta kama shi ka gana ya zuwa hudda guda biyu tun na wuri yana da ice zangarniya guda ɗari biyu wanda in girman su ya kai girma ya raba su guda uku uku zai samu guntu ɗari uku kun ga ɗari uku nan ko ko ba komi ya samu kai sha biyar kai sha biyar ko ko sai da sai jikka jikka zai iya samun jikka sha biyar. Maman Sabiu wani guri ne ake son cimma da sassaban zamani daga al'ummar karkara da manoma ga baki daya Shi sassaban zamani kudurin da ake sa mashi shine na a ganin cewa albarkar gona ta samu a samu kaɗan mai albarka itacen da suka ɓace mu mu canda su dawo cikin gonakai yau wani icce in za a zawa ciwon ciki kake za a baka sassaƙe sai a ce ma ai ba a samun shi sai ka shiga Nigeria to shine yau muke so wannan abin a samu saukin shi idan aka yi sassaban zamani saboda mafi yawanci akasari za gani itacen namu ba ɓace suka yi ba da damana ta yi za gani sun tsoro to manoma ba su sani ba ne kamata a tattale wannan itace a kawo musu tallafi domin su girma su zama icce dan shi icce cikin gona yana da albarka sosai manomin da ke barin icce cikin gonar shi zai gani tun daga wajen shibka shi ta bambanta da gindin kalgo da gindin gawo da wanda ke cikin kanku za ku gani gero ya bambanta daga ciki saboda gona mai icce ƙasa ba iska ba zai tayar ita ba za gani sayin iccen zai rike kasa ko da ruwa sun zo ba za su yi rami ba cikin gonarka in ka zuba taki iska ba ya kwashe shi in kunno itce ya zuba cikin gonarka za ganin cewa ya zama taki wannan kunno itacen kamar irin su gawo irin su shirga suna jawo dabbobi cikin gonarka su zo daga cin su za su yin kashi na wurin su bar ma cikin gonarka ka samu taki Entretien réalisé par Mustapha Mamansani, chers auditeurs, partant en musique avec le groupe de rap MDM Crew qui nous chante Tout, donné. On avance tous le matin comme deux fous, y'a des bouches qui nous attendent. Elle veut plus de temps, nouvelle te veut parce qu'elle a tout est gâté. Ils nous ont pris pour les rater, mais aujourd'hui c'est sur nous que tout est passé. Merci maman, ta bénédiction joue son rôle. Si tu traînes ce soir, laisse ton verre pour ta daronne. T'as pas le droit de céder mon grand dos. PlayStation comme Django. Et moi, ce coup que tu comptes les? Tu dois pas tendre la mano. T'as le devoir de lutter. là les titres tout donnés des MDM Crew. Place à présent à l'écho des régions et zoom dans la capitale de l'Aïr pour voir les stratégies utilisées par les producteurs pour rendre leur sol très fertile. L'année dernière, la campagne agricole a été déficitaire dans certaines communes de la région d'Agadez. Face à cette situation, les maraîchers font recours aux entrants et engrais agricoles qui sont très souvent non homologués pour fertiliser leurs plantations. Mais cette utilisation informelle entraîne des conséquences sur le rendement agricole. Reportage signé Moussa Maman. Au Niger, particulièrement dans la région d'Agadez, l'utilisation de manière excessive des entrants et engrais agricoles non homologués par les maraîchers entraîne des mauvaises récoltes et diminue la fertilité des sols. Mahaman Jibo, maraîcher à Tabelot. Après quelques années, nous avons constaté un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas connus dans le temps, à savoir donc il y a des maladies qui attaquent nos cultures. On peut utiliser une fois, c'est-à-dire euh, par hectare, on peut utiliser 10, 15, voire 20 litres de pesticides provenant du Nigeria, mais il n'y a pas satisfaction, les cultures sont toujours atteintes de maladies. Ensuite, euh, l'utilisation des engrais, on utilise abusivement l'engrais, le sol s'appauvrit parce que c'est quoi le problème Les engrais qui ne sont pas homologués. Quand cette année vous utilisez deux sacs d'engrais pour vraiment accroître votre production, il va falloir l'année prochaine utiliser quatre ou cinq. Donc, c'est-à-dire on a compris que c'est des engrais qui appauvrissent le sol. C'est-à-dire ce sont nos commerçants qui partent les prendre et les amener sans aucune analyse et on les utilise parce que c'est ça qu'on a devant nous. Selon les services de l'agriculture, ces produits non homologués comportent beaucoup de risques et passent par les frontières des pays voisins sans contrôle. Mahaman Mahazou, directeur régional de l'agriculture d'Agadez. Les gens utilisent plus les produits non homologués que homologués. Et puis, on n'a pas assez d'agents qui peuvent contrôler ces produits. Mais sinon, dès qu'on rencontre ces genre de produits, vraiment, nous sommes obligés de le prendre. Parce que, bon, les produits non homologués, comme j'ai allé dire, vraiment, euh, c'est des produits qui comportent beaucoup de risques. Non seulement pour la pollution et de l'environnement, mais aussi pour l'intoxication de l'homme, parce que vraiment on est exposé à un problème d'intoxication. Et puis il y a aussi la vie aquatique, parce que si on dit l'environnement, c'est seulement il y a l'eau, il y a la terre qui est là. Et au fil des ans, on va se retrouver avec euh, des terres incultes. L'utilisation de ces produits non homologués par les maraîchers contribue à la baisse de l'obtention d'un faible rendement. Les produits non homologués ont aujourd'hui inondé les différents marchés de la région et sont moins chers mais très nocifs à la bonne récolte et aux terres, selon le directeur régional de l'agriculture d'Agadez. Reportage signé Moussa Maman. Un coucou à, toute la population de l'Aïr qui nous suivent sur cette émission. Chers auditeurs, on prend une pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport euh, et est avec nous. Bonjour Assim Grouza. Salamat. bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Merci. Gourouza, le MENA u 17 a quitté Niamey pour Accra, la capitale ghanéenne, où l'équipe participe au tournoi IFOA, Zone B. Oui, euh, hier, euh, nous l'avons évoqué un peu euh, dans cette émission. Les cadets U17 participeront du 15 au 28 mai 2024 à un tournoi de football U. Euh, zone B, vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Les Nigériens croiseront dans cette compétition les éperviers cadets du Togo, les Goldens du Nigeria et les Étalons cadets du Burkina Faso. c'est un tournoi qui permettra d'ailleurs aux équipes vainqueurs de recevoir leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 en 2025. Juste avant le départ des jeunes ambassadeurs nigériens, euh, ils ont promis quand même au président de la Fédération nigérienne de football et au peuple nigérien la qualification. Comme on dit, impossible. N'est pas nigérien. N'est pas nigérien. <laughs> Alors, bonne chance à eux. Merci. Grouza, la Fédération internationale de football a publié hier pour la première fois les classements mondiaux de FISAL. Oui, Abiba, euh, le Maroc occupe euh, la sixième place mondiale chez les hommes. La première place revient au Brésil devant le Portugal et l'Espagne. Le futsal a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années au point que la création de ce classement peut être considérée comme une évolution naturelle selon la Fédération internationale euh, FIFA. Autre sport, Gourouza, parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby. Ça se joue actuellement à Antananarivo, au Madagascar. C'est la capitale euh, malgache. La compétition regroupe l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Kenya et le pays organisateur, le Madagascar. Et l'équipe qui terminera en tête du classement se qualifiera pour la Coupe du Monde 2025 en Angleterre. Il faut noter que celle arrivée en deuxième position va participer à Dubaï en septembre et octobre prochain à une compétition. Voilà pour le sport. Merci pour toutes ces informations sportives, Grouza, et à bientôt. Merci. L'installation des antennes paraboliques devient de plus en plus un métier florissant pour les jeunes de terrain. Ainsi, dans la rubrique portrait d'aujourd'hui, nous allons découvrir Hamadou Haruna, connu sous le nom de Amiru. Il a évolué dans l'installation des antennes paraboliques à Tira. Son portrait est réalisé par Moussa Boukari Kanda. Jirweta Kibanda, Hamadou Harouna, Borega Bemoda, Amiru, Anten parabolique sinjiongo ŋono ga ta goyo karano hukuna hunkuna a go ganga neo tera kwara Hamad haruna wo modei dai furgo wo nera kala za a gizanka alwatu band kan adira ngwana alfag babodo do agoga kuran coyoŋo dondon dangi mat seda aywa talib no e talib tarala eo goozu men no eman bi kullo kolandu nyahola za sintina farki suki n farki jindi kigdan torkaga ngenekte kenere yande enil gonda kaleg tamta egara jifeli irgo yadi kaleg tezanke se motize zurande zurandi danga ga far halen pillo danga ga fare di kam mota fare di borak din jine wodin bisa ay koko ampullion dambor fonse pill wone antanno ngo zank fo daniel ninas daniel o accow inda koyemon me jiɗa ɗo salu mor bonde antenne fo gon ena se antenne noygo wana goyo amma décodeur omte décodeur kulkandumon o egin ka monte ayo so cho coo ega monte den hanne ha hantu hantume sabi antenne no mo fonda nan ka wodin bande kampana wana mo fule ngiya plus mo ngode no hongo ya ye mancho amma de huro vid matara te di he mat ki go ki dan charga experience go de ton ton noro kan hamad harun gudu antenno singiyon goyo wara arano agogin wana gorkisinta kya da wana zanka waya jere. Fata susuba mm, fatun 5000 halin kam kan 100 antenno go wala. mɛ wala na foyi do e a la zame o e sinti a go la e di moto be kan ne banne ne kam honda ade en mot ken fode akul gode ade abdul rashid sad mumuni ngmo ala sab kan hamad haruna a awon goyo kanga dondon aman koyamo dangamat kan ana filinda to amiro dai e sintina banda goyon dan zai gon kanzan la sabe dai nega banne batkay ka mi dok godande ekol nego ay fat ekol ini geran garage nan kini gerai ma ay gote bil ko bil ko ya fu udin charabu mora alaika mi do bodo kuran godane degte deno adu antenno bom bere go antenno mo do ara abagumu alanen kare dai alane poporde japure gozuru alane hiji ngoy me chino alane gongwa ala ne ni 19 dai ago kai kaya cewa kan ga sai dai ko kabgoi agon na nafa ba dai cewo ste kuno ce kabgoi fo abdul mumuni ngamo furtagino kana antan singengoyo dondon hamadu do ngamo awon jawabo ka to nan tonandir doneya antan ne kuma dalin ka kunna wani installation mo ruwana wa gono kota go wani canal plus kota go wani kunno ringi singi mo mon kan bon sen ma position o ke kin bo se murgunden mare sire a bannum faman wara se kan tengodeno ba so bon gane go gwe wala mone ke mudare te bon se ke bon jerma irko man ngirse ikam boradun bon non berawo man toreno enir ko sabu em bumbo mo sabu kan na ke ka te ambori waati din hammadu harun wo a awan goyo fondara dabar zeniyono aga goyda kuduka ngwan antenno singiyongo te amma hunkuna teknolojiyo jin koyongo fondara hammad gogo goyda gojinayen ga kanda se dogonai awad goyo fondara waddi halirga antenno monte kalum bor fodon huwara ngne bora saate sinyalon bisam na aka haman ka ha sona na bisa wat vo lakalo jibando go ngoben weno go lakko bor gin ko hoy zasus ba kal venam kan sin kanal plus monte arewa banin hin te er majfo hongo arewa izui estiban er wadi follong wad von zurna ma ame sin gadam wadi apare de control sino so apare gono zansu di bora kalum di bora ke goben me hammad haruna an keyon tonandi tera wani jini boredo kanganan im kam dangase guduga kandase gojinayan koynomo ag jinda dayiga im goynong feri kanganan ngbera tera furtege mudugna funda wallari ba gaksini goyer bin fer na ker denen hansin moyen asti gojine si kubetre ango masin kango antenmonte masin kango chevidan wodi yon kul halmati nan kubense ir hongo loko chora nimat goy ternomi dang nu goy jinaman kubi persese kir goyda chadante gon walis gari do harga kalum ko persese vensen mil persese kenz mil ven mil han ka goy gab koendo un karakka amnen suwofun bumbono loko chwa goy jinao walarik ba gagshina fisi bidin lai Anten singen goyaora Hamad Haruna Honkuna, a te furta borkan igdig dondon ya di nomo goyo fondara Amiru a ma tera kwara kulera. Un reportage de Moussa Boukari Kanda, chers auditeurs, dernière balade musicale. On écoute les titres Kani de l'orchestre Tal National. de l'orchestre Tal National, chers auditeurs, passons au loti qui parle des femmes qui fuient les téléphones de leur mari. Et nombreuses sont ces femmes qui cèdent à la tentation et fuient dans les téléphones cellulaires de leur conjoint. Certains maris le font également. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé. Écoutons à ce sujet Samira Rouafi et Rekia Así vamos, Reyes. su gugu fira mun gaisi wani mo kan banu a gafirin da ayya dai mataran go mataran go hey alisa ni ga sabu mu zaga yayi gore salam aran sigama hey bogo nan ai sai duwanu ai wo hankan go gai lakal zaguwa ne <laughs> aman tokiyan ifa no nigo te da tirayi wo nigo dai ga haifo yan hantum hantum la sabu beri koi no ni te bogo nan ma manti la fola sabunu hankai goce ci dai noga tayim kan su sugo ai ma feri ga kwado kara man gaishe. ni ma feri mata no ni yi gaddir yamma ta kan nigin kan basi siro ferin da a man ta yi wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai siga fahama se no ba kai nufo go fo yi haifo yan yanga kai sabai da hey alisa ni fu koyo kan basi siro hey alisa ifo no ni goga da. wallahi ni gite don dai bai din terawo fa hey ni nakkal kanan dai cora. da ai gaba nai ga wasi ga feri ai ma yeti za a mantun jirbi Irkwai mini fa ya dinga kal dai dinna feri ga di hankan gara he he he irkwai sai lakal kanan da sai nigin da yeti ganda nims muskwai ga tunan di jirbe si hini hmm, wallahi ate alwati kai na agofurai sai har yanga kan ai sabai da wasika bobo hantum yan kalce yan bobo dini ce boda a gutu ne jar gano lai a mun mboy ma hankan goce. ai ga bai kan kutike kut iz fose na goga hantum ka daidai bai no goce cika fugai wani farora he irkoi bere ni gwag bai hankara ni ba ni min bonke tumo wallahi amante wone si bori ni fu koyo si mani kani he wone man tahi kulnu wadda seno ainan kala jirbi inga ne ka kakan bagasi su go sambuka gona matukan ni goga tabinda ni la kultunu dimbai kan ago fakarai da wandifo aga tansiyon da diabetes yan kul dan niga daman ta yadin mono ninin bon taban di yamu yamu kwai ne din koyo dinin ni bai kan askana sai ba kaina aranga makiyar dori na na kan go aranga marasara hmm chogo wallahi ga cim ni bai mu zaman tun kun ne go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu ago tegin kan baga su go ga feri halga ka samun gaifi. <laughs> Hmm, hmm. ta bante wai kuru hai kan man kwai amanto hmm. ga cin wallahi ki mino fa to gune don da chaga wasa yadin masine ni don da haifa hmm, man te da di no kero nin da wai bare kulu kan ga yin gai fu koyi kan basisirai feri wa bai kan hari n'o kan ga aran gwara sara na ne bisa haikulu din no chogo ai sabu gumo da tikan nika irko hinna no bai hankan ai koyi gidi wala hankan te. <laughs> don di gab di fogo ga mo kara se no dini ay gidi hankar rani ga furo eh bogo nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga hayi sefa ha to walla chago <laughs> Merci au desk femmes du studio Kalangu pour ce multiples conseils, Chers auditeurs, à présent, accueillons Moussa Hassan, secrétaire général de la rédaction du studio Kalangu pour la culture linguistique. Moussa, bonjour. Bonjour Abiba, bonjour Salamat Kadri. Bonjour Moussa, quel est le mot de la semaine Le mot de la semaine, c'est le mot respect que je. le mal plaisir de vous expliquer en zarma. Matkani kida, mkuna Kalmezo irigoga salan cine bayin wado hari kan ti kutil lengistin ga gati beren diyan walir mune lalabuya iran gan kai garan fonda ko karo suru karan gudan ga hangan irse matkin ni cida al ummu kulu abba funa mu dugu buri ra aga sertiye wala citi fonda yan sokon gorandi wani wana kan yan aga berendi kan yan ga aga lalabu wat kula na ma mabore gine ima lalabu kiti fondega yadi gamat karan faham da lalabu yongo din abonno irga sala lalabu yon manti kala beren diyanu kan bore te haifose wala borfose a hina a takaro wala kokari fo kan a gite maga dir silman kaina igine waibor wani da bora kulgu la baga bora kulga beren dinoya wala hari filana a wala at matkan irko ina te da se bore kulga la la baga bore kulga beren di wo kai yin sintin da giti kiti fondo wo bizu kunno hima kan lalabu aga yadin gadi ne lalabu yan ikande beren an sanni lalabu yan wo borga ce borfose wala hay fusi wala annemu fusi wodi mo halnigu dugati kalanda imu bai kul da ingu wani alhakora rabin cikin wadai no im bai kul da ingu wani alhakora kan sin dim la sabu boro bor filana dumino boro takar filana dumino boro dum filana dumino boro adin filana nagate di kan de la labiyon sanni ci te do hare bi tare do hare bora kul alhakai gano ihimaka lalabu fayan kakan go borer cira gamara din. kadin isi goida ni gala labu yongo asisintin dukala nanai bankan gani ga nanai ngono ni ga berendi gano ni ga lalabu asenu ni ga cindi ni ga bak sine kai ni gara zama ikul kan ga ai kuka ni ga berendi hayadin ni ga bara ni ina bak sine wani ni ga bakara se ni gonda anane mu zama lalabu yonde ga kande nanai ya wani ga ci lalabu yombo bena kan irce cika kan da aran sai zarmaci ni ga merci pour cet éclaircissement Moussa à bientôt merci à vous Chers auditeurs, merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission. Vous êtes nombreux à suivre le programme du studio Kalango à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Pour l'heure, nous allons écouter vos messages audio. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. mamman umaru da ake ce ma tsoho a nan cikin village artisanal na dakwaro Firema shirye-shiryen da kalangu suke kawo mana fisibillahi muna samun karuwa sosai eh, muna fahimta suna ba mu labaru dabar na ƙasa abin da ƙasa take tahiya da aikace-aikace suna ba mu labarin matasa yadda ya kamata matasa su gyara rayuwarsu a samu kasa ta ci gaba eh, kuma bisa harkokin zamantakewa na mata kuma su ma nan muna samun shirye-shiryen su ma masu ƙayatarwa sai dai mu ce vraiment alhamdulillah eh, Allah ya taimaka Allah ya sa alkhairi Allah shi bunƙasar da ƙasar mu ta sha Allah eh, to gyare-gyare wanda ya kamata a ce an yi kama emission na mata da na yara Eh, ya kamata a kara musu ma dai lokaci ya ɗan kara tsawo na jayo hankalin eh, matasa maza da mata su yi sana'o'i wanda za su samu su tsirar da eh, rayuwarsu ta yau da kullum. farko dai suna na mamman lawal andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗa namiji tsakanin shi da ya mace sunayen shi da harshen buzanci sunayen shi da harshen hausa wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamani da ta yawa wannan yana bin shi sau da kawa yanzu a ni lokaci da suka kawo na game da zamantakewar arme tsakanin mace da namiji wani irin zama ne ake yi wanda za a daren da juna a ga mutuncin juna a zamana kuma lahiya cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba sunana da abdullahi bubakar a nan karce ta arlit studio kalangu muna musu barka da anniversary su na shekara takwas e gaskiya studio kalangu shirye-shiryenta suna kayatar da mu duk emission kin da dai ka aje hankali ka saurana na studio kalangu ka samu karuwa ga na waye ma matasa kai saman sana'a hannu saman shaye-shaye wannan ai akwai ci gaba to mu dai shirin da muke so ta ƙara mishi ƙarfin gwiwa ba shiri ka wannan matasa sama matasa su dage ga neman ba dole ba su sai sun dogara ga gwamnati dogara da kansu na biyun kuma shine shi ma sama matasa dai sama haraka shaye-shaye ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ƙara sensibilisation ana waye ma matasa da kai. Ciro Kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka da har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kuwa so tu bisa kai ga harakan matasa wannan da suke yi. Sunana Abdu Ibrahim gaskiya Kalangu ta kama canji da yawa da dama muna yawan sauraron ta yau da gobe kun tana ci gaba kwarai akan harkokin yada ta ya kamata a ce mata ƙara lokuntuka da dama wannan sauraron wannan kiji muna farin ciki kwarai da gaske. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, ici prend fin cette émission de ce mercredi 8 mai 2024. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain à 11h avec un nouveau duo. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Salamou Kadiri. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique c'était Issa Lowoli. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Passez une excellente journée. Bye bye.